l'avez compris une impression ça veut dire que ce que l'œuvre d'art fait sur toi une année on a donné un sujet du bac l'art est une impression ou expression l'art est une impression ou expression l'art est impression expression lorsque l'artiste exprime ses sentiments ou ses idées l'art est impression lorsque donc celui qui goûte l'œuvre d'art que ce soit l'artiste que ce soit un autre une tierce personne donc et une impression par rapport à cette, à cette œuvre d'art. C'est ce qu'on appelle l'art est une impression. Mais moi, comme entité, je dirais, l'art peut être à la fois impression et expression. Pourquoi Parce que l'artiste, l'artiste qui exprime ses idées ou bien son sentiment dans son œuvre peut en même temps avoir une impression de bonheur, de satisfaction, de désir par rapport à son, à son œuvre. Est-ce qu'on a bien compris L'art également a une fonction engagée une fonction engagée, ça veut dire une fonction dénonciatrice. là qui dénonce l'état de la société. Lorsque l'art dénonce l'état de la société, l'artiste est là et pose un regard critique sur la société. L'artiste est là et, pose un regard critique sur la politique. Pour dénoncer l'état de la société. Parce que la société, l'ensemble des individus qui y vivent, n'ont pas l'avantage du micro ça dire qu'ils ne peut pas aller à la suite FM ou bien à pour dire ce qui leur fait mal. Est-ce qu'on a bien compris Donc l'artiste est là pour être le porte-parole de la société. C'est pourquoi quelqu'un comme MSSL dira que je suis la bouche de ceux qui n'ont point de, point de bouche. Je suis la bouche des malheurs. Pourquoi Parce que les gens sont malheureux mais ne peuvent pas exprimer leur malheur. Les gens sont des sans-voix. Ils veulent parler mais ils ne savent pas où parler. Maintenant l'artiste est là pour dénoncer pour dénoncer. Et en général, je donne l'exemple de Awadi. Les élections 2012, lorsque Ablayad avait dit que le mandat restera à deux, mon mandat est deux, mais comme cours de Faner, mon dem petit terme, gagné war def élection, mon la troisième mandat. On fait problème pour lui, on défi 21, 21, 23, 23, juin, hein. très bien, gagner des casse. Mais artiste, dans le jeu, mu def benn clip wane si benn ñuy ataaya paa bi toog paa bi mooy Ablaye Wade ñuy ataaya mooy mooy peuple bi mais paa bi ñu jox ko lëwal mu naan teen daal di savouré ñu jox ko deuxième mu naan teen savouré paa bi toog a toog toog ba affaire bi xam naa làmmiñ bay sàppi rek mu ne ana troisième bi gaa ñi reetaan ko ne yaa ne woon fii deux normes moo fi am ça veut dire deux moo fi am Donc, ça veut dire que ce que Abraham a fait, lui, il l'a illustré dans son, dans son œuvre, dans sa musique. L'on a engagé. Donc l'art, ici, joue bel et bien des, des fonctions. Il y a également l'art négro-africain. L'art négro-africain, ça, ça veut dire notre art. Notre art, en général, est un art qui joue des, bien des rôles. Pourquoi Parce que, donc, avec l'art africain, l'art a une fonction thérapeutique ou magico-religieuse thérapie des médecines. Et si on va voir les, les qui sont à Rufisque, ils font des noeuds. Les noeuds, ils le font avec des chants et des danses. Est-ce qu'on a bien compris Mais la danse, ce pas de la musique. Chant, ce pas de la musique. C'est pas de l'art. Ils le font avec des chants et des danses pour pouvoir guérir le malade. Ça veut dire celui qui a des, des des rap, des tours là également a une fonction pédagogique. Parce qu'en Afrique traditionnelle, on faisait des comptes. Des comptes. par rapport aux comptes, avec les comptes là. Mais les pourquoi Parce qu'on va avec les comptes, sur Twitter, sur Facebook, Instagram Instagram

mais solution bi nga joxe pour que xalé boobu mu normal solution boobu mën na am moom dina si jàngee ba pare mu baax donc c'est pourquoi on dit que l' a une fonction pédagogique. l' a une fonction également communicationnelle communicationnelle parce que en Afrique traditionnelle donc on communiquait avec le tambour les tam-tam pour dire que buur nee na waaw comme ñoom Baye Massamba Sall ñii comme ma Massamba Sall nee na jeudi na ñëpp ñëw si penc bi day serxe ay day joxe ay nag donc <laughs> ngeen joxe ay nag est ce que sax ah? <laughs> donc c'est une fonction communicationnelle ensuite l'art a une fonction commémorative commémorative pourquoi parce que avec les chants là les chants les mourides donc nous sommes en train de commémorer, le jour où Cheikh Ahmadou Bamba a été à l'exil ainsi de ainsi de suite donc l'art joue bel et bien des rôles est-ce qu'on a bien compris Maintenant, par rapport à ce que M. Fall a dit, par rapport à, l'étatiste, <laughs> par, rapport à Bira, par rapport à ce que je viens de dire et que ce que M. Mbaye dira, nous avons vraiment la ferme conviction que ça vous servira à quelque chose. Que lorsque vous sortirez de cet endroit-là, cette angoisse-là, cette peur-là que je suis en train de lire dans vos visages, que vous m'avez même transmise, la peur. ça m'a commencé dit. Parce que c'est vous qui avez peur. J'espère que ça disparaîtra. Voilà. Et que vous aurez la ferme conviction que ce que les professeurs nous ont appris, c'est vraiment ça. Ce qu'il faut, c'est quoi C'est être posé, c'est être calme, mais également c'est être réfléchi Je parle nga gëm est-ce qu'on a bien compris on parle ici du destin tout à l'heure M. Fall a dit que tout le monde est en train de penser au bac est-ce que je c'est une question métaphysique qui interpelle le destin donc nul ne connaît son destin tout ce que vous avez à faire j'espère que vous l'avez déjà fait ça veut dire que vous avez appris vos leçons qu'est-ce qui reste maintenant tout ce que vous avez appris depuis octobre jusqu'à aujourd'hui il n'y a eu aucune grève. Donc la balle est dans votre camp. Soyez serein, soyez réfléchis. Et laissez cette peur là-bas. Affrontez la philosophie, gagnez-la. Pour faire face aux autres disciplines. N'est-ce pas hum? C'est sûr D'accord Attendons de voir. De toutes les façons, nous espérons que nous nous là, nous nous Nous Hein bu leen ñu gàcceel waaye ñu naan waa professeur est-ce que professeur yi fii la am na Tiwaawan di ñu gàcceel parce que am na lu ngeen di bind rek ñun la ñuy wax de professeur filo yi la ñuy wax est-ce que professeur filo am na Tiwaawan ñëpp ñu jàngee depuis ñëpp jàngee lañ jàngee li leen ñëpp di jàngal lañ leen jàngal maintenant la balle est dans votre camp et par rapport à cette tricherie là dont on parle à l'IA ñu ne lycée Tiwaawan mooy lycée des tricheurs ça veut dire Tiwaawan ah Tiwaawan wax du Tiwaawan kese ñëpp ñëpp nous symbolisé par le lycée de ça il faut le refuser c'est à vous de le refuser est-ce qu'on a bien compris c'est à vous de le refuser et de vous remettre en Dieu. moi c'est Pape Massamba Sall membre du mouvement Ada et frère du ministre Abdel Sall. Bon, c'est juste qu'on est à l'approche des, des, anticipés de philosophie et le mouvement ADA à travers, le, ministre à travers le mouvement ADA d'accompagner les élèves vraiment pour mieux aborder les épreuves de philosophie. C'est pourquoi on a cette journée, vraiment, on a convié tous les élèves avec des professeurs qui sont au lycée, vraiment pour venir passer toute journée avec les élèves et les accompagner, vraiment, et les préparer à mieux aborder les épreuves de philosophie. Est-ce que l'information a été Bon, on est allé vraiment dans tous les établissement de Tuaon. Moi, personnellement, avec des amis, on est allé au lycée, on est allé à, Lupus, on est allé au groupe scolaire Abbas Dabar et à Al-Amin. On a utilisé aussi les moyens de communication et quelques moyens de quelques presses, vraiment pour passer l'information. Quelle collaboration avez-vous avec les différents professeurs qui sont là Bon, vous savez, dans la vie, pour tout chose, il faut avoir des attaches. Bon, moi, j'ai eu à connaître des professeurs qui sont là. Et moi, d'abord, je suis enseignant. Je travaille à l'IF de Tuaon. Donc, je connais Mouché Sal, je, connais, je connaissais Mouché Fall. Bon, on a eu à travailler, à collaborer. Et lorsque vraiment cette idée nous est venue, on l'a appelé Mouché Fall. avec les autres profs du lycée, vraiment, on s'est entendu à venir vraiment accompagner les, élèves, à, passer une excellente journée avec eux. C'est ça. C'est la première fois qu'on organise ça. Mais on, vraiment, on souhaite vraiment perpétuer même après, après les enseignements de philo, on a l'idée de le faire pour, exemple, le français, pour l'histoire et la géographie, avec d'autres professeurs encore et avec les élèves. Vraiment, on souhaite que les élèves s'en sont vraiment rassurés à mieux aborder les, examens. Oui, moi c'est M. Salubira, je suis professeur de philosophie au lycée de Théon. Et quand M. Salmas nous a sollicité, on n'a pas hésité parce que nous sommes des enseignants, mais également nous habitons Théon. Nous avons parmi des élèves des frères, des neveux, je même des fils. Donc c'est tout heureux que nous participons à cette activité pour surtout les aider, pour surtout les renforcer. C'est qu'en ce moment, ce n'est pas facile pour eux parce qu'il y a l'angoisse, mais on avait besoin de les réunir pour les rassurer. Je pense à ce niveau, moi et mes collègues, bon, nous sommes en train vraiment de faire l'essentiel pour cela que ah, sur euh, l'État euh, sur la liberté oui, parce que je dis souvent qu'au-delà de l'examen du bac, euh, il est vrai que l'enseignant que, je suis, comme mes collègues, professeurs de philosophie, ont l'obligation de préparer les élèves à l'examen. Mais au-delà également, nous avons une mission d'éducation et de formation. Nous avons affaire à des jeunes qui sont des citoyens. je pense que c'est important pour eux de comprendre ce qui se passe dans la société, ce qui se passe dans l'État et comment fonctionne l'État. Parce que je ne le dirai jamais assez, la philosophie perdrait son importance si elle ne nous aide pas à comprendre ce que nous vivons. C'est pourquoi vraiment j'ai beaucoup insisté sur question de liberté, de démocratie et d'État. Ça va permettre aux élèves, au-delà de l'examen, de comprendre ce qui se passe dans notre pays et de pouvoir apporter un jugement éclairé par rapport à cela. C'est ça pourquoi nous avons insisté sur la question vous savez que moi, j'ai l'habitude de dire qu'un programme est fait pour ne pas être terminé. Parce que nous avons un programme démentiel et on sait ce qui se passe dans l'année scolaire. Les surveillants sont, passés dans les classes pour informer les élèves par rapport à ces dispositions. Parce que si jamais un élève est pris avec un téléphone portable, il risque d'être exclu. Heureusement également, ma collègue Madame Gay est revenue sur euh, la question dire aux élèves qu'il n'est pas question d'aller dans les centres avec le téléphone portable. Parce qu'aujourd'hui, le problème majeur avec nos élèves, c'est l'emprise de l'écran. Ils passent beaucoup plus de temps au téléphone et cela forcément est préjudiciable. Mais heureusement que l'information est passée. Nous espérons que nos élèves ne manqueront pas de faire attention à tout cela. Je vous en prie. professeur de philosophie au lycée Ababakassi de euh, je suis venu aujourd'hui, samedi 25 euh, mai 2019, pour les besoins d'une communication euh, à la permanence euh, de la paire. Euh, notre présence est due au fait que nous sommes à quelques encablures des anticipés de philosophie et avec l'invitation du ministre Abdoundene, en passant par la géniale idée de Massambassal, nous sommes venus discuter, parler de philosophie pour le compte des élèves, permettre à nos élèves effectivement euh, de se refaire une santé philosophique, euh, de refaire leur idée euh, afin de pouvoir affronter dans les meilleures conditions les enseignements de philosophie qui, sont, qui seront organisés effectivement le mercredi prochain 29, 29 mai. Euh, la question me semble être problématique. du fait que la philosophie, le programme de la philosophie est tellement vaste euh, qu'on se donne la promesse dès le début euh, qu'on va le terminer. Euh, notre volonté première, c'est effectivement de le faire, mais nul n'est là, nul n'est pour nous l'ambition, ou bien nul n'est nul nous, comment, comment, je veux dire ça là. C'est-à-dire, le programme est tellement vaste qu'on on a l'ambition de le terminer, mais on ne promet pas effectivement de le terminer. Bonjour cher Kamal, bonjour chers spectateurs. Je m'appelle Khadija Tungay, je suis élève au lycée Abaokarci de Tuawan. J'ai comme professeur de philosophie Madame Gay, qui est une excellente professeure. Elle nous a appris tout, nous avons presque nous avons tout terminé du programme durant l'année scolaire. Oui, j'ai bien compris ce qu'ils ont dit dans cette conférence. Ils nous ont donné des conseils. Je demande à tous les élèves de suivre ces conseils. Il ne faut pas aller au bac et gâcher tout ce que vous avez appris durant toute une année. Il faut apprendre vos leçons et laisser tout avec, dans les mains des jeunes. Il faut apprendre ces leçons pour aller faire vos expériences au baccalauréat. Le bac, c'est un exercice que l'on fait pour, exprimer ce qu'on a dans le cœur. Il ne faut pas donc aller au baccalauréat et faire des tricheries. Et ce, après, vous allez avoir la honte devant, vous allez avoir la honte devant tous vos camarades. Il ne faut pas faire cela. Nous avons tout terminé. Oui, bonjour. nous sommes là aujourd'hui à l'occasion de la synthèse de philosophie organisée par M. Abdoundé Nessal nous sommes vraiment satisfaits de cette organisation parce que c'est la première fois qu'un homme politique ici à Tiaon organise donc une synthèse pour les élèves de Tiaon. Vraiment, c'est bien qu'ils se soucient d'eux. Comme ça, les élèves légalement, à leur tour, se soucieront de lui lorsqu'il aura besoin d'eux. C'est comme ça que ça se fait. Maintenant, avec cette synthèse-là, donc c'était pour rassurer surtout les élèves, leur rassurer que donc ce que les professeurs leur ont appris dans les classes, c'est tout ce que tous les autres professeurs apprennent à, leur, à, leurs apprenants. Les rassurer parce qu'ils sont un peu angoissés. Parce que nous sommes à 72 heures, donc les anticiper. C'est angoissant certes, mais il faut que les élèves se croient en eux croient en eux, croient en leur capacité intellectuelle, croient également à ce qu'ils ont déjà, déjà appris et le jour J pour qu'ils puissent faire face donc à, au bac et le faire, faire l'essentiel. Parce que c'est ce qu'on leur demande. Parce qu'on n'a pas intérêt à faire des cours pendant 9 mois et euh, au, bout du compte, on se, retrouve avec une sous Ça, ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Et comme ils ont terminé leur programme, on a fait des exercices avec eux, on a fait des devoirs avec eux. Vraiment, donc la balle reste est dans leur camp et nous espérons qu'ils répondront positivement à ces anticipés-là. Est-ce que vous avez terminé votre programme euh, comme euh? Non, on a terminé. On a terminé notre programme. Qu'est-ce qui reste Ce sont les élèves qui restent. Est-ce que les moments ont été bien par rapport à votre Parce vous avez entendu là-dessus. Oui, j'ai insisté. J'ai insisté parce que lors des compositions, on se rend compte à chaque fois on prend des élèves qui sont en train donc de, manipuler leur téléphone ou bien qui ont mis leur téléphone sous silencieux dans leur poche. Ce qui fait qu'au bac, si on les, on les prend, même si le téléphone est éteint, donc ils iront en prison et ils seront jugés après. Et ça, c'est un peu vilain. Donc c'est pourquoi on les sensibilise de laisser leur téléphone là-bas et de, de, croire en eux, de croire en, eux, en leur, capacité intellectuelle. Parce que au final, c'est Dieu qui décide c'est un problème de destin, c'est Dieu qui décide. L'année dernière, il y avait une fuite. Mm, euh, une fuite. Est-ce que vous avez pris votre décision qui est On a dit que chaque année, il y a une fuite. Donc, est Mais l'année dernière, il y avait une fuite. Et vous avez vu que le directeur du baccalauréat, de, de l'office du bac, a été sanctionné. Euh, c'est tout ce qu'on peut. Maintenant, de toutes les façons, à l'office du bac, on a des, des, sujets de rechange. Dès l'instant qu'il y a fuite, donc on va faire, on va échanger. Mais de toutes les façons, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas, on ne peut pas spéculer nous. Nous ne sommes que des professeurs. Donc ça, c'est du ressort donc, de l'office du, bac. C'est lui qui doit, l'office du bac qui doit faire tout son possible donc, pour mettre tout le monde dans de bonnes conditions. Madame Gay, professeure de philo au lycée de Tivaouane.